The forum du studio le forum du studio Kalamkou the forum du the Kalamkou le forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du the Kalamkou le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radio partenaires qui s'est étendu aux localités de Tanouta, Madawa, Dakoro, Dogonduki, Walam, Tera, Ngingimi, Kablewa et Kwaratagi dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit un total de 31 radios qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangu. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré au bilan à mi-parcours de la campagne pastorale 2017. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, euh, Zurk Laini Maïga, directeur général de l'élevage et des industries animales. Monsieur le directeur général, euh, bonsoir. Mhm, Mohamed Al-Mansour, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger à Kapan. Mohamed Al-Mansour, euh, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons des moments à l'autre Aruna Abarchi, secrétaire général de l'association pour la redynamisation de l'élevage à Rennes, euh, dans un instant. L'analyse des indicateurs en zone pastorale démontre une forte réduction des disponibilités fourragères par rapport aux besoins de consommation du cheptel. Pour la campagne pastorale 2016, le Niger a enregistré un déficit fourragé de plus de 12 millions de tonnes de matière sèche, soit environ 48% en des besoins. La situation pastorale au cours de la deuxième décade du mois de juillet 2017 évolue normalement sur l'ensemble du territoire national à cause des fortes précipitations enregistrées ces dernières semaines. Monsieur le directeur général de l'élevage et des industries animal, animale Mega. Au jour d'aujourd'hui, quel est le bilan réel de la situation pastorale au Niger de façon générale De manière générale, euh, la situation pastorale, euh, au premier point, par rapport d'abord à la pluviométrie, est caractérisée par euh, un déficit pluviométrique sur 282 postes que nous avons enregistrés. Nous avons 17% dans certains et jusqu'à 63% déficitaires dans d'autres. Donc de ce point de vue, on enregistre un déficit pluviométrique au cours du mois d'août par rapport à l'abondance des pluies de la deuxième décade du point de, du mois de juin et du mois de juillet. Alors, euh, devant cette situation, nous enregistrons justement des poches de sécheresse, ça et là, dans toutes euh, les régions mais cela n'a pas empêché que le couvert végétal est disponible sur l'ensemble du territoire national et c'est de la montaison, floraison jusqu'à la grenaison, notamment les graminées et les légumineuses. Pour les graminées, la composition floristique, c'est l'aristidia metabolis, qu'on appelle en Sorai Habridi, le Chancrus bifloris, qu'on appelle calangia. Ensuite, euh, nous avons d'autres espèces non moins importantes, notamment les légumineuses comme la liscapis ovalophilus, qui sont vraiment des herbacées, graminées et légumineuses d'importance capitale avec vraiment un stade phénologique, comme je le disais tantôt, de la floraison à la grainaison. Maintenant, par rapport à cette citation, je disais, compte tenu vraiment de, ces ce déficit ça et là, on a enregistré justement donc des poches vraiment de sécheresse qui ont occasionné une porte quand même assez non négligeable de ce couvert végétal, de ce tapis herbacé assez abondant. Par ailleurs, au niveau de la strate ligneuse, c'est-à-dire euh, les arbres, on assiste vraiment à une régénération abondante et on peut considérer que vraiment les chameaux et les chèvres, eux, en ce qui les concerne, chez eux, c'est quand même l'abondance. Même s'il y a une diminution de la quantité et de la qualité, ça va s'observer chez les moutons et chez les bovins. Monsieur le directeur général, euh, dans le cadre du programme de soutien à la campagne pastorale 2016-2017, qu'est-ce que l'État nigérien, à travers vos services, fait ou compte faire Bon, je disais que pour l'instant, nous sommes toujours à mi-parcours. Nous sommes en train d'observer l'état d'avancement de cette campagne et nous avons déjà donné la citation de la dernière décade du mois d'août que je suis en train de vous donner. Mais auparavant, pour prendre une disposition, il faut faire une évaluation. On a fait une évaluation à mi-parcours, c'est ça qui était les missions ministérielles, et il y aura justement une évaluation à fin parcours, c'est-à-dire caractérisée par la mise en œuvre d'un bilan fourragé. C'est suite au bilan fourragé qu'on saura qu'il y a un excédent ou qu'il y a un déficit. Et c'est à partir du déficit maintenant que l'État va réagir avec ses partenaires techniques et financiers pour amener l'apport de correction. Pour le moment, nous sommes en train de nous préparer pour aller au bilan forager d'ici eh, le mois de septembre. C'est-à-dire, et c'est en ce moment-là maintenant que nous allons passer dans tout le pays pour faire des échantillonnages sur l'ensemble du territoire national sur la base justement de nos repères que nous avons et euh, par la suite, nous allons extrapoler pour savoir combien de quantités de matière sèche de tonnes nous avons par rapport au nombre d'animaux que nous avons. Les besoins des animaux sont là, le disponible est là, on va comparer. S'il y a déficit, nous allons faire officiellement l'annonce à l'État afin que voilà ce qui se passe et l'État va réagir. Mohamed El Massour, euh, du, du, collectif des associations pastorales du Niger Kapan. Quel bilan faites-vous de la campagne pastorale en cours au niveau de votre association Merci. Euh, parler du bilan pour, pour nous, je pense que c'est trop dur, euh, parce qu'il y a des services. Euh, le bilan en mis parcours Ok. En tout cas, en ce qui nous concerne, par rapport aux informations que nous avons, puisque nous reconnaissons les informations auprès des membres, n'est-ce pas Quand euh, la situation d'une façon générale est bonne par rapport à celle de 2016, ça, parce qu'aujourd'hui, presque partout, toutes les marches sont pleines. Les mâles, il y a de l'eau un peu partout, les mâles se plaignent. Quand vous prenez, par exemple, euh, ce que nous sommes organisés, on va terre à terre. Quand vous prenez, par exemple, le cas des Indiens, dans la zone des Indiens, selon les informations qu'on a recueillies euh, avec à la base, le pâturage, en tout cas, est abondant dans la zone, par exemple, vous prenez la zone de Belbéji jusqu'à euh, jusqu'à baté à partir de Nord-Baté jusqu'à Gadez, vous prenez la zone de Tanout, à partir de Eliki, Chengarga, Jebtoji jusqu'à la frontière et à Derbisnet vous allez trouver là le pâturage quand même intéressant. Quand vous prenez euh, Tesker et Gouré, Skadifa également. Je vous dis tout à l'heure que les mares sont pleines. Maintenant, dans la même zone, vous allez trouver la zone de concentration d'animaux. où c'est intéressant, c'est dans les zones de Soufuri Gouré, Madafaya, département de Damagaram Takaya, Garin, Kingari, département de Taketa, Vermiria. Maintenant, euh, quand vous allez euh, dans la région de Tawa, quand vous prenez le département de, de baraden euh, euh, dans cette zone-là, le, pâturage est très intéressant, n'est-ce pas Et la, situation station fourragère est bonne et on observe un tapis intéressé dans les vallées. En tout cas, les vallées, il y a ce tapis herbacé. La prenez le nord-est de Tintbaraden, par exemple, là, euh, la situation est moyenne, en tout cas vers Bazogor, Garan, etc. en tout cas, les éleveurs ne, sont la, pour eux, la situation n'est pas bonne. Quand vous prenez, par exemple, maintenant, euh, quand vous prenez par, rapport, je suis dans le département d'Ottawa, maintenant on va à Telabéry. La la situation fourragère est bonne, sauf dans le département de Torodi, Telabéry, Ayuru. Là, les éleveurs euh, nous ont fait cas quand même d'un problème de spécificité. <coughs> Quand vous prenez Maradi, la zone de Bermo, la zone nord d'Akoro, Bermo, Akadanaï, vous savez qu'ils ont euh, réussi le plus tard. Aujourd'hui, les mares sont pleines, mais la situation est est en train de s'améliorer. Alors, de façon générale, Mohamed Al-Mansour du Kapan, euh, quelles sont les zones à risque les, les, les oui, déficit Oui, comme euh, le directeur l'a dit, la situation est globalement bonne pour l'instant. Et il y a des poches. Si vous me laissez le temps, je vais vous dire là, il y a, des problèmes. Rapidement. Ok. Et quand vous prenez Agadez, par exemple, euh, il y, a, des poches mauvaises vers, vers la zone de Dans la zone de il y a des zones qui sont euh, bonnes. Quand vous prenez Engal, l'ouest Engal, c'est une zone où il y a actuellement du pâturage, c'est très bien, n'est-ce pas Quand vous prenez, euh, par exemple, le département de Dosso, Dosso le, il y a le pâturage, quand vous prenez le département de Logadouchi, il y a des poches où le, le, le pâturage est insuffisant. Maradi, on parlait de Maradi Nord, Bermo, euh, Dakoro, euh, c'est des zones également où vraiment il y a cette insuffisance. -là. Comme je dis dans la zone de, de, Dakoro, là, la, pluie est venue en retard. C'est vrai, les masses sont pleines, mais le tabou, euh, bassin n'a pas atteint, en tout cas, comme on, l'attend. Quand tu prends la, Difa, quand tu prends Zender, hein, la zone de. Quand tu prends la zone de, Bouti, Keskourou, n'est-ce pas belgique Gandou, Malbaza, Tawa, Bermo, Maradi. Je vous cite là, n'est-ce pas, le, le bulletin ce qu'on disait les bulletins de l'ACF, parce qu'ils font aussi l'évaluation, c'est des zones qu'ils avaient citées en GIE comme zones déficitaires. Pour vous dire qu'il y a... Alors si de façon globale la situation pastorale est bonne, est-ce que euh, les pasteurs ont d'autres problèmes Oui, le problème qu'il y a aujourd'hui, on me signale aujourd'hui dans le département de, de dans la région de Telabéry, le cas des maladies de petits n'est-ce pas Il y a la descente euh, des éleveurs du nord, du, nord Mali, quand vous venez dans la zone de Banébongo au, au, le long de la frontière du Mali, où il y a une concentration de nos éleveurs. Aujourd'hui, ils se sont repliés à, autour de Banibangou parce qu'il y a la question d'insécurité. Euh, vous connaissez récemment, il y a eu plusieurs, attaques, etc. Ils se sont repliés vers Banibangou. Donc, c'est des problèmes euh, souvent que vivent les éleveurs, n'est-ce pas Par rapport, euh, il y a là où il y a le pâturage, il est abondant, par exemple, mais il y a la question de leur propre sécurité qui fait qu'ils euh, n'accèdent pas aux ressources comme ils l'entendent. Donc, pour finir, je pense que la situation par rapport à 2016 pour l'instant, elle, est satisfaisante. Maintenant, nous attendons l'évolution. Selon, selon les, statistiques euh, des spécialistes, la situation pluviométrique serait excédentaire. nous attendons l'évaluation euh, finale, n'est-ce pas, euh, de la direction développement pastoral, qui, je pense, qui s'occupe de cette question-là pour la fin, comme l'a dit docteur Zokalini, pour qu'on ait euh, la situation des données officielles, en tout cas par rapport à, à la campagne de façon générale. Sinon, la situation euh, est largement, dépasse largement celle de l'an passé, par rapport en tout cas euh, aux besoins, pour l'instant, euh, des éleveurs. Chers auditeurs, euh, nous rappelons que Haruna Barshi, secrétaire général de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à vient de nous rejoindre dans ce studio. Haruna Barshi, euh, du côté de l'Arène, comment se présente la situation sanitaire du cheptel Voilà, donc je disais merci. Merci pour en tout cas cette invitation et je remercie véritablement Kalangou comme ils l'ont toujours fait. Comme l'a dit Al-Mansour, nous avons quand même enregistré quelques cas de maladie au niveau des petits ruminants qui, qui sont là. Mais je suppose que quand même, c'est n'est pas assez grave. Et en tout cas, selon certains services techniques, la situation est sous contrôle. Ça, j'ai parlé avec euh, le, directeur départemental de l'élevage de Abala qui me disait ça. Il y a également, au-delà de la région de Tirabiri, il y a la région de Tawa, puisque, voyez-vous, c'est la même bande. Hein ce qui. Et surtout, c'est des transhumants, voyez-vous, il est difficile de contrôler la maladie avec les transhumants parce qu'ils se déplacent et souvent, euh, ils ont le germe, ils se déplacent avec le germe et ils, déclenchent la maladie quelque part. Et voilà donc Nous avons quand même ces différents cas et ils sont quand même sous contrôle. Haruna partir euh, de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents dans plusieurs contrées du Niger. Quelles sont les autres sources de ces conflits et que fait votre association pour minimiser ces risques et Pour ce qui concerne les différents conflits, c'est chaque fois lié à l'accès aux ressources. Ce sont surtout les espaces pastoraux qui sont souvent aménisés et qui fait que euh, souvent il y a un contrôle difficile des animaux par rapport aux champs. Donc les couloirs de passage sont obstrués, les aires de pâturage sont grignotées et c'est ces facteurs-là qui, entre autres, créent ce conflit. Autre chose qui favorise ce conflit, c'est aussi euh, comme l'a dit Al-Mansour, voyez-vous, c'est la surcharge du bétail sur certaines zones. Parce que, dû au, à l'insécurité au Mali, tous les transhumants, je dis bien tous les transhumants qui convergeaient vers la zone pastorale du Mali sont revenus. Donc, ils sont aujourd'hui en zone agricole. C'est vrai, il y a des autorités qui ont entrepris des campagnes de sensibilisation pour demander, en tout cas à ces euh, belligérants-là, notamment les agriculteurs et les éleveurs, de s'excuser, de s'accepter, parce que c'est la situation qui l'oblige. Imaginez-vous la toute petite zone pastorale de la région de Tilaberi qui accueille et le bétail de Tilaberi même, et le bétail de Dosso, mais aussi le bétail de Niamey, même si le bétail de Niamey se confond avec celui de Tilabiri, qui vont normalement tous dans cette zone et aujourd'hui que les éleveurs sont en train de redescendre et ils sont à la limite des champs. Donc ça c'est des problèmes. Et c'est cette surcharge et cette, euh, surtout le manque euh, peut-être euh, du respect, le manque de respect de la loi que c'est ça qui fait en fait le problème. Parce qu'en cas de dégâts champêtres, il y a des voies, des voies légales pour régler la situation. Il faut voir en tout cas, de par les textes, pour pouvoir indemniser, dédommager son. Autre chose, c'est aussi eh, les fourrières illégales qui sont là. De par la loi, chaque commune doit avoir au maximum de fourrières. Nous en avons des communes qui en ont beaucoup plus. Donc ça aussi, c'est des situations qui sont là. Les gens sont... Parce que quelque part, ça ressemble à de l'arnaque. Vous croisez des animaux, avec leur propriétaire, vous les prenez et vous les mettez en fourrière juste pour faire des revenus à la commune ou bien à celui qu'ils ont amené. Donc ça aussi, c'est des situations. Maintenant, ce que nous faisons au niveau de l'arène pour pouvoir prévenir ce conflit parce que c'est ça que nous faisons. Nous, nous agissons au niveau de la prévention. On n'agit pas au niveau du règlement parce que quand le conflit arrive, ça, <coughs> ça devient pénal et c'est les juridictions compétentes qui, qui en sont. Donc c'est la gendarmerie, puis la justice, etc. Nous organisons des différentes rencontres, les forums, pour pouvoir sensibiliser tout le monde par rapport aux différents textes. Les textes qui régissent le foncier, et qui sont là au niveau du code rural, on les lit, on les explique à tous les belligérants, à tout le monde, tous les acteurs, afin que chacun sache quelle voie suivre si vous êtes confronté à telle ou telle autre situation. Donc c'est ce que nous faisons, nous en avons fait assez. Et autre chose, nous sécurisons les espaces pastoraux, parce que je disais que quand les espaces, les couleurs sont obturées, c'est des problèmes. Donc on essaie avec les différents partenaires de les baliser, donc tout celui qui voit une balise sait quand même que là, c'est la limite d'un couloir de passage. Et s'il dépasse, il sait qu'il en a fait exprès. Donc on sensibilise les gens et on leur dit, s'ils si voient quelqu'un rentrer dans, le, <coughs> dans, le, dans un couloir de passage comme euh, avec son champ de culture, eh bien qu'ils préviennent vite les autorités avant que cela ne soit tard. Parce que nous avons d'autres problèmes. Souvent, l'autorité qui n'est pas vite informée un agriculteur fait son champ dans un espace pastoral, le mil atteint un stade, quand au moins on l'informe tard, il dit non, non, laissez-le jusqu'à l'année prochaine. Bon, c'est quand même, oui, c'est humain, c'est humaniste, c'est social, oui, mais quand même c'est une loi qui est violée. Moi, je pense que quand quelqu'un commet une faute, il n'est pas bon de, l'excuser comme ça au détriment des autres. Donc, euh, c'est entre autres ce que nous faisons au niveau de l'arène. Haruna Abarchi euh, de l'arène, reine euh, c'est déjà la période de récolte dans beaucoup de zones bientôt. Pour une grande partie de ces zones de culture, une c'est une période pendant laquelle il y aura des mouvements des éleveurs du nord vers le sud. Et là, les conflits entre et les vers sont aussi euh, récurrents et quelles dispositions à prendre C'est vraiment des sensibilisations, comme je l'ai dit, pour certaines autorités, elles ont commencé. C'est des sensibilisations, vraiment des sensibilisations sans penchant et sans état d'âme. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, euh, voyez-vous, c'est la descente des animaux. Et ce qu'il faut surtout faire, il y a des dates de libération des champs. Il y a les communes et qui se réunissent, les départements également, ça va jusqu'à la région pour fixer la date. Moi, je pense qu'il faut bien que les gens sachent une chose il ne faut pas faire de ce moment-là un moment, euh, en tout cas, de recherche de voix. Parce qu'il arrive une zone déficitaire sur le plan céréalier qu'on reporte, en tout cas, la date de libération des champs jusqu'à décembre. Et voyez-vous, il arrive également que la durée de labour dépasse de loin la durée de la récolte, ce qui n'est pas du tout normal. Voyez-vous, ces comparaisons, les gens ne les font pas on le sait pertinemment. Ça, c'est le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Maintenant, entre éleveurs, le conflit entre éleveurs. Bon, le conflit entre éleveurs et éleveurs, ça, c'est pendant la saison sèche surtout, parce que c'est sur les points d'eau, parce qu'on a une surcharge au, niveau des points d'eau. Euh, le, mouvement, le mouvement des animaux ne, ne concerne pas ce genre de conflit. Nous savons bien que l'accès aux, espaces publics, il est pour tout le monde. C'est vrai, il y a des endroits où il y a des, des, des priorités mais quand même, il n'y a vraiment pas ce problème. Il peut y avoir des, cas de vol, ça c'est un truc naturel et ça peut arriver partout. Mais en termes de gestion des ressources naturelles, c'est surtout avec euh, les, pendant la surtout avec les agriculteurs. Monsieur le directeur général de, euh, de l'élevage et des industries animales, vous avez quelque chose à ajouter Bon, moi je crois que de manière générale tout est dit presque parce que vous avez posé vraiment des questions et j'espère qu'en tout cas, les deux, ont pu centrer l'essentiel. Ce qu'il faut seulement peut-être augmenter, c'est que la station vraiment, jusqu'à preuve de contraire, demeure quand même plus ou moins normale parce que les animaux ont accès au pâturage. L'état sanitaire des animaux, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas inquiétant en dehors de quelques déclarations ça et là. L'état bon d'un point est intéressant le terme de l'échange actuellement est en faveur de l'éleveur et nous attendons maintenant donc euh, la fin de l'hivernage pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire le bilan fourrager. revenir, euh, commencer, on va revenir avec Koufou, euh, euh, Mega, directeur général de l'élevage et des industries animales. L'élevage constitue l'une des mamelles de l'économie du Niger. Quel est l'apport de l'élevage dans l'économie nigérienne <laughs> L'apport de l'élevage est immense. Ah oui, parce que tout simplement, comme vous le savez, je peux même dire que l'élevage est pour moi la première mamelle de l'économie nigérienne, parce que l'agriculture au Niger est aléatoire. Et jusqu'à preuve du contraire, nous avons, si nous avons l'élevage, nous pouvons dire que le capital bétail uniquement fait plus de 350, 3 350 milliards. Donc, euh, Par an Bien sûr, le capital bétail, bien sûr. Donc, euh, aujourd'hui, avec euh, un minimum d'efforts, donc, d'élever les animaux, avec un minimum de porc, de savoir les faire reproduire, avec un minimum de porc pour les soigner correctement, pour les adapter à des besoins de production de viande, de lait, d'œufs. Alors là, ce serait vraiment extraordinaire. Et même dans l'initiative 3N, tant qu'on parle d'alimentation ou de nutrition, s'il n'y a pas de protéines, la faim reste et demeure. Ce sont les protéines qui sont la base de soustraction de la faim dans un pays. Donc euh, la question de l'élevage par rapport justement à l'apport de la viande, à l'apport du lait, à l'apport euh, des œufs, rien que ça peut suffire pour dire que l'élevage joue un rôle très important dans notre pays, sans parler justement de la question de l'économie même, où aujourd'hui, quand tu prends la population nigérienne, les 90% sont éleveurs et agriculteurs. Mais il y a un pourcentage seulement qui est agriculteur et qui n'est pas éleveur. Donc tous les agriculteurs, la plupart, sont des éleveurs. Et tous les éleveurs restent demeurent les grands éleveurs et les éleveurs. Donc euh, c'est pour cela que moi je classe l'élevage comme la première mamelle de l'économie nationale. Et c'est pour cela que j'appelle ici sur ce studio, sur ce plateau, qu'un budget conséquent doit être alloué à ce secteur pour faire du Niger, dans le cadre vraiment de cette euh, branche, de cette économie, une réalité. Monsieur le directeur général euh, Zorka euh, quel est le niveau de couverture et la, euh, la densité du tapis herbacé de façon générale au Niger Non, aujourd'hui je vous disais que dans la plupart des régions, le pourcentage de recouvrement visuel du tapis herbacé est plus ou moins homogène, donc 60 à 90 euh, seulement au mois d'août, nous avons eu quelques poches de sécheresse qui ont fait flétrir donc euh, dans certains points la biomasse, mais qui apparemment est en train d'être rattrapée parce que ces derniers temps, ça et là, nous avons appris qu'il y a eu encore des pluies et je suis sûr et certain qu'il y aura une régénération de cette couverture donc euh, végétale du tapis herbacé. Mais sans compter, je vous dis, je vous rappelle, la strate ligneuse qui est les herbes et les arbustes, auxquels s'intéresse une grande frange de notre élevage, notamment les chameaux et les caprins. Donc pour le moment, je pense que en tout cas la station reste et demeure quand même euh, pas du tout inquiétante, elle est bonne. Et nous suivons quinzaine par quinzaine, nous sortons la station décadaire, la station, et j'ose espérer que d'ici vers le mois de septembre, enfin, nous allons commencer l'évaluation de la station, donc du bilan. Le bilan fourragé va être mis en œuvre et c'est sur la base du bilan maintenant qu'on peut vous prononcer est-ce qu'il y a un déficit ou pas. Mohamed al Massour, euh, du collectif euh, des associations pastorales du Niger Kapan, quels sont les autres produits, sous-produits et dérivés de l'élevage euh, au Niger et qu'est-ce qu'ils représentent dans l'économie du pays il faut que les gens sachent. c'est une question qu'il faudrait poser à Zourkleni. Bon, c'est vrai, l'élevage comme vous le savez, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, l'élevage est une richesse sûre. Parce que de tous les âges, nous avons connu l'élevage. Par contre, les ressources minières s'épuisent. Et si nous voulons aujourd'hui être un pays émergent, n'est-ce pas, euh, euh, nous devons développer cette richesse pour faire en sorte qu'on importe moins et qu'on produise plus. On ne peut pas être dans un pays qui, pour l'essentiel de, de, ses ressources, n'est-ce pas, ou de ce qu'il mange, de ce qu'il fait, et vient de l'extérieur. Alors que nous avons l'élevage qui est une richesse sûre, qui, qui a une, plusieurs chaînes de valeur, je vais le venir, par rapport au lait, par rapport à la viande, par rapport au cuir, n'est-ce pas, par rapport à un certain nombre de sous-produits d'élevage qui, si on les, valorise dans, notre pays, nous allons euh, quand même euh, produire, nous allons produire et puis améliorer quand même la richesse de notre pays. Nous sommes dans un pays dépendant aujourd'hui de, beaucoup de choses. Nous importons des lait, des en poudre. peut-être connaissent combien de milliards on consomme par, an, alors que nous devrions développer notre élevage, n'est-ce pas, euh, pour en tout cas euh, développer notre pays. Parce que c'est une chaise sûre. L'Iran, nous l'avons, mais l'Iran va s'épuiser. Nous avons l'air à Samira avec toutes ses conséquences sanitaires sur la communauté, ça va s'épuiser. Euh, l'élevage, c'est une activité, de mon point de vue, saine. Saine euh, parce que euh, elle n'a pas aussi de conséquences comme l'uranium où vous avez chaque fois des gens qui sont tombés malades, vous avez des marques contaminées, vous avez etc. Donc c'est une richesse sûre et qu'il suffit seulement de développer. Et si nous aujourd'hui on n'y prend pas garde par rapport à la question de l'élevage, d'autres pays vont nous devancer. Ils vont prendre nos ressources ici et les développer. Le cas de la chèvre rousse des maladies que certains pays ou un pays est en train de développer, le cas de la vache de la Zawak ou un autre pays est en train de etc., un pays qui n'a même pas de fleuve, nous, nous avons au moins le fleuve, où nous pouvons produire quand même le fourrage à côté du riz, n'est-ce pas euh, Faire en sorte que la question des déficits soit comblée par la question de l'irrigation le long du fleuve, produire en tout cas le fourrage euh, à côté du riz, etc. Nous avons vraiment des potentialités, n'est-ce pas, que, sur lesquelles on doit s'y appuyer. Malheureusement, les, les, parents pauvres, quand vous prenez le, ministère de l'élevage, quand je circule, je vois les techniciens d'élevage, les agents d'élevage, les conditions dans lesquelles ils, travaillent. Vous voulez, aujourd'hui, on parle de la question de, de il parlait de tout à l'heure, par rapport euh, à cette question des campagnes pour les relevés, etc. Bon, il faut que les gens souvent aient des moyens. Vous allez trouver des services, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas les agents, il n'y a pas assez d'agents, c'est un ou deux, etc. etc. Pour, une pour une ressource comme l'élevage qui contribue à 13% du PIB national. énorme, 13% du PIB national. Regardez les statistiques. C'est une richesse très énorme. On l'a néglige. Aujourd'hui, nous sommes, on fait face à la question, par exemple, de l'insécurité. Quand des bandits viennent ramasser nos, nos, nos troupes, nos troupeaux nigériens, etc. Mais c'est une perte pour notre pays. C'est vrai que moi, je faudrait qu'on ait qu'on considère dans ces pays que l'élevage, les bétails n'appartient pas seulement à l'éleveur qui est derrière ces bétail-là. Ce bétail appartient à la nation. Et c'est à nous d'organiser cette richesse énorme pour qu'on puisse en profiter, pour que les puisse profiter, pour que le Niger soit une référence par rapport à cette question-là comme d'autres pays, euh, on le connaît parce que c'est des grands sportifs. Nous, on doit nous connaître par rapport à, l'élevage et à ses sous-produits. Haruna Abarchi de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. À cause de la disponibilité des ressources fourragères, l'état d'un bon point des animaux est globalement satisfaisant au cours de la deuxième décade du mois de juillet dernier. Quelle solution pour maintenir la dynamique selon vous voilà, merci beaucoup. Je pense que pour maintenir véritablement cette dynamique, il faut protéger ce pâturage-là contre les de brousse. Tout ce qui peut avoir comme aléa, il faut vraiment les protéger. Autre chose, il faut aussi, même si, parce qu'à un moment, le directeur de l'élevage disait qu'il faut la fin de la campagne pour pouvoir évaluer les besoins en cas de déficit. Donc, en tout cas, on lance ce qu'il faut lancer avec les différents partenaires. Moi, je pense que même si on n'a pas de déficit, il faut qu'on lance en tout cas les choses. Parce qu'aujourd'hui, ce qui devient une donnée non maîtrisée, c'est l'insécurité. Ces animaux des autres pays qui nous entourent, où villes l'insécurité, sont en train de venir. Donc, ils ne sont pas en train d'être comptabilisés dans les besoins de nos animaux. Et ça vient donc sous forme d'improvision. C'est vraiment des situations imprévues. Donc il faut vraiment prévoir au maximum l'imprévu. Je dis bien prévoir l'imprévu parce que c'est ça qui arrive. Les animaux dans la région de Difa du Nigeria qui viennent parce qu'il y a une situation de Boko Haram, voyez-vous, on ne les compte pas parce qu'on ne sait pas combien ils sont. Ceux du côté Mali, ils, on ne sait pas combien ils sont. Donc c'est ça. Moi je pense que au-delà de préserver ce que nous avons comme, comme strate herbacée, à travers les bandes parfaites et autres là, il faut également prévoir par des aliments bétail ce qui peut arriver et en quantité énorme. Et surtout, il faut tout faire pour que ça ne vienne pas en retard. Je sais que ça ne dépend pas pour beaucoup de fois de ce, Mais il est temps quand même que les gens réfléchissent quelle stratégie pour que les aliments qui seront destinés aux différents animaux ne viennent pas en août, par exemple. Il arrive quand même que des situations comme ça. Donc je pense que c'est entre autres ça que je propose pour pouvoir maintenir cette dynamique. Autre chose, voyez-vous, il faut aussi faciliter l'utilisation de ce, de ce strat herbacé. Parce qu'il y a des zones où, la c'est par manque d'eau que les animaux n'arrivent pas à, se, à, séjourner là-bas. Donc il faut vraiment faire un bon maillage en point d'eau, en zone pastorale, pour que les gens puissent utiliser. Parce que sinon, même s'il y a des pâturages à un endroit X, les animaux ne peuvent pas être là-bas, donc ils sont obligés de se concentrer là où il y a les points d'eau. Donc tout ça, là, c'est une, manière de bien gérer euh, c'est pas tout là le moment venu. Haruna Abarchi, tout à l'heure, le directeur général de, de, l'élevage et des ressources et des industries animales disait que les, les, échanges sont au profit euh, de l'éleveur. Nous avons constaté que les marchés sont bondés d'animaux. <laughs> Que faire pour que les échanges profitent euh, réellement à ces éleveurs Bon, vous savez, ça c'est la loi de la nature, hein, parce que, voyez-vous, maintenant, c'est la fête de Tabaski. C'est ça qui est en train de favoriser ces échanges-là. Ça favorise véritablement. Je ne dis pas que c'est le seul aspect. C'est peut-être un peu aussi la NERA qui est en train de reprendre un peu tout ça, c'est possible. Moi, je pense que peut-être c'est aux économistes de réfléchir pour voir quelle va être la bonne stratégie pour que euh, les termes de l'échange soient pour toujours au profit de, de l'éleveur. il faut quand même des réflexions poussées, à mon avis. Mohamed El mansour vous me faites signe, vous avez quelque chose à ajouter rapidement C'est vrai, le thème des chats en faveur de l'éleveur, peut-être par endroit. Mais parce que quand vous prenez le sac 10 000, le sac 10 000, quand vous prenez dans la zone de, de baradon au nord, quand vous prenez la zone de, de, de Dakoro, etc., le sac 10 000, Bermo, le sac 10 000 coûte 31 000. 31 000, 31 500. Voyez-vous je pense que quand on essaie d'en faire des analyses pour un éleveur, il faut tenir compte de tout cela. Parce qu'il y a les habitudes alimentaires c'est les milles, voilà. Donc c'est pas les maïs, etc. Donc c'est souvent, c'est des analyses qu'il faut faire souvent par rapport à ce genre de, de, de mon point de vue. Et ça, nous avons ce genre de, débat par rapport à, ce genre de choses. Quand il s'agit de dévoiler le besoin d'un éleveur ou de, cibler qui est vulnérable, qui ne l'est pas, un agriculteur vulnérable, un éleveur vulnérable, est-ce que c'est le même grille d'analyse Parfois, il y a trop de, il y a vraiment en fait trop de polémiques. En tout cas, nos organisations pastorales et les, certains services techniciens ont fait trop de polémiques. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, il faut tenir compte de la grille d'éleveurs. En tout cas, dans la région d'Agadez, les gens se plaignent que les animaux ne se vendent pas. Aujourd'hui, ils se plaignent, j'étais en condition de se plaindre que les animaux ne se vendent pas. C'est vrai, au marché de Sainte-Baradène, euh, le dernier marché, euh, vous allez trouver un, un mouton belé qui fait 60 000, peut-être c'est l'effet de la fête. C'est le même mouton qui peut faire ici peut-être 100 000, 120 000, certainement. Donc, euh, il faut vraiment, pour le moment, en tout cas, moi je suis sceptique par rapport à cette question que c'est en faveur de l'Ever. En tout cas, pour l'instant, je suis un peu sceptique. Peut-être euh, nos techniciens plus tard vont en tout cas nous donner des idées, <laughs> des, vont nous faire des analyses plus. Euh, pousser. Quoi. Merci. Monsieur le directeur euh, général de l'élevage et des industries animales, vos propositions de solutions pour une, campagne, une meilleure campagne pastorale 2017, puisque nous tournons vers la fin de ce forum. Oui, justement, moi, avant donc euh, de donner cet élément de réponse, j'aimerais vraiment remercier le représentant de reine qui a su dire que même s'il y a un excédent, il faut prévoir assez d'aliments bétail, il faut prévoir assez de compléments donc euh, d'alimentation par rapport aux animaux. Effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité d'autant plus que je voudrais que les gens sachent que dans le cadre de l'alimentation de l'animal, les besoins sont de deux sortes. Les besoins d'entretien et les besoins de production. Les besoins d'entretien et de production ne sont atteints qu'en hivernage, parce qu'en ce moment, l'herbe a sa valeur nutritive par rapport donc euh, à cette question. Mais une fois l'hivernage passé, à partir du mois d'octobre, novembre, l'herbe commence à se déprécier. Sa valeur nutritive, sa valeur bromatologique, nous on dit, diminue et entre avril et mai, ça ne peut même pas rapporter 0,3 UF, alors que l'animal UF, ça veut dire Unité fourragère. Et un animal de 250 kg de poids vif pour son besoin d'entretien, il faut 2,3 unités fourragères par jour. Et pour que justement cela soit ainsi, il faut donc que sa capacité d'ingestion soit doublée et il ne pourra plus. Donc raison pour laquelle, à partir du mois de février-mars là, c'est obligatoire que chaque éleveur d'abord puisse penser à complémenter ses animaux et que l'État aussi soit sensibilisé pour savoir que les animaux là, à partir du mois de février-mars, dans leur globalité, ont besoin d'être supplémentés, ont besoin d'un apport alimentaire outre la paille, la même paille, qui ne peut pas couvrir ses besoins de production, euh, d'entretien d'abord, à plus forte raison ses besoins de, production. Et c'est pour cela que j'apprécie beaucoup son intervention et qu'il dise même s'il y a un excédent, on doit envisager dans le plus bref délai des dépôts de nourriture pour les animaux afin de faire face au moment opportun sur l'ensemble du territoire national euh, cette action. Mais auparavant, il faut aussi informer, il faut sensibiliser tous les éleveurs sur l'ensemble du territoire national pour leur dire que l'herbe seulement par rapport aux animaux ne suffit pas. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas continuer à faire l'élevage contemplatif. Tu as un troupeau de 100 têtes, il ne faut pas continuer à regarder ce troupeau et continuer à attendre l'État pour que ces 100-là soit entretenu et nourri. Il faut soi-même essayer de trouver au moins un à deux bovins que tu vas mettre sur le marché au moment opportun, dès octobre, pour prévoir justement eh, ce déficit-là eh, alimentaire pour que ces animaux, au moment opportun où ça va tomber, ne vont pas tomber. Donc, au lieu de perdre pour rien du tout 20, 30 animaux par manque d'alimentation, il vaut mieux que un ou deux là puissent remplacer les vins et avec l'apport de l'État maintenant, le problème ne va pas se poser. C'est également important d'informer et de sensibiliser les éleveurs pour que, au sortir de ce hivernage-là, et pour une disposition pour tout le monde, que chaque éleveur puisse déparasiter ses animaux. Le déparasitage est un facteur important qui va donner à l'animal, à l'animal d'abord ses forces, qui va augmenter la digestibilité quand il mange et qu'il va donner à l'animal l'appétit de tout aliment qu'il va manger et, que, tout aliment qu'il va manger sera rentable. Et ça va couvrir l'aliment, à l'animal justement contre beaucoup de maladies. Et c'est avec ça que nous, en tant qu'État, nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer pour avoir l'ensemble des besoins des animaux par rapport à ce bilan forager pour que les dispositions là nous puissions donc euh, donner l'information à nos décideurs afin d'engager un mouvement d'ensemble pour une bonne vraiment campagne pastorale en, termes de réponse. Monsieur le directeur général, euh, est-ce que des, partenaires euh, s'investissent dans le, secteur de l'élevage comme on a vu des partenaires, d'autres partenaires s'intéressent à à, certains secteurs, à certains secteurs Oui, c'est-à-dire que au niveau donc euh, de l'élevage, ce n'est pas parce que les, partenaires ne s'investissent pas. Nous voulons que qu'ils puissent s'y mettre de manière correcte, large et responsable. Tu vois, nous voulons que les partenaires puissent mettre en œuvre des grands projets d'envergure nationale pour la productivité des animaux et la productivité de tous les systèmes de production animale. On va, le temps, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Mohamed El Mansour, rapidement, vos propositions de solutions pour une meilleure campagne pastorale 2017. Moi, la proposition, c'est que euh, nous souhaiterons que le résultat de la campagne sorte euh, à temps, que toutes les recommandations issues de la campagne pastorale soient connues et vulgarisées. Euh, euh, parce que l'État du Niger euh, a des partenaires. Donc que le résultat de la campagne soit connu à temps par les éleveurs, par les organisations d'éleveurs, par, les partenaires techniques et financiers, et que ce résultat soit vulgarisé à temps, n'est-ce pas, pour que nos partenaires et les autres organisations internationales se prennent en compte. Parce que souvent, euh, l'information sort en retard et, bon, donc voilà le, la recommandation que je vote par rapport à cette question-là. Haruna Abarchi de la euh, rapidement, vos propositions de solutions pour une meilleure euh, campagne pastorale 2017 Bon, j'ai déjà fait euh, mes propositions. Sinon, je voulais juste revenir à ce que disait le directeur tout à l'heure quand vous lui avez posé la question par rapport aux partenaires de l'élevage. Moi, je pense que ça, ce n'est un secret pour personne. Il n'y a pas assez de partenaires. Si vous prenez. Et tout ça, c'est dû à la politique de l'État il arrive <clears throat> qu'un partenaire vienne, il demande quelle est la priorité de l'État. Il va dire c'est l'irrigation. Voilà. Et le, partenaire va s'intéresser à ça. Voyez-vous, il y a des grands partenaires. Par exemple, la coopération luxembourgeoise ne fait rien pour l'élevage. Elle est en train de faire d'énormes efforts, d'énormes investissements dans la région de Dosso, rien pour l'élevage. Deuxièmement, pour la coopération allemande, là, c'est aussi ça c'est parce que, parce que moi, je les ai rencontrés. Ils m'ont dit que lorsqu'ils ont rencontré le, gouvernement nigérien, le gouvernement leur a dit que c'est la sécurité alimentaire à travers l'agriculture, donc l'irrigation ou autre. Donc, voyez-vous, c'est ça qui limite véritablement les investissements du côté de l'élevage. Sinon, si on investissait, comme l'a dit le directeur à un moment, un tout petit peu dans l'élevage, eh bien, on verra le résultat. Ça, je suis, parfait, je suis persuadé. Puisque 87% de la population nigérienne fait de l'élevage. Si on soutient 87%, eh bien, on verra. Et avec tout ça là, l'élevage arrive à nourrir son homme. Pour preuve, c'est d'ailleurs c'est le seul produit agricole, enfin, le plus exporté, suivi de l'oignon et autres là si ça ne suffit pas, on ne devrait pas exporter. Ce qui veut dire que ça suffit, même si ça bénéficie seulement de 1% du budget national, alors même que d'autres bénéficient de plus de 50% de soutien. Alors, et, <laughs> on n'arrive pas encore à exporter, il faut qu'on importe chaque fois. Les gens n'arrivent même pas à se nourrir trois mois avec leur production agricole. Abarchi, sans vous couper, si les partenaires ne viennent pas, est-ce que vous, partez pas, vous ne pouvez pas partir vers les partenaires je vous disais que moi, j'ai bien vu la coopération allemande et je les ai Nous, on part vers, ces partenaires-là. Mais leur interlocuteur direct, c'est l'État. Ils s'inscrivent dans les politiques que l'État a tracées. C'est lorsque l'État leur dit que voilà ce que je vais faire, c'est en ce moment qu'ils vont travailler avec les autres. Mais au niveau de l'État, vous avez un interlocuteur, euh, le ministère de l'Élevage. Il n'arrive pas apparemment à faire le poids, enfin, c'est ça, <laughs> je suppose. Al-Mansour. moi je l'ai dit, c'est une recherche sûre sur laquelle il faut mettre le focus si on veut s'y développer. On veut développer. Mais bon, dans la pratique, euh, voyez-vous, même l'action d'irrigation, on parle du fourrage euh, aliment bétail. Mais on peut produire du fourrage à travers l'irrigation pour le complément alimentaire, comme, le fait, comme ça s'est fait en Afrique, etc. Donc c'est une richesse sur laquelle, si on met l'accent, on peut développer notre pays. Et cette richesse-là, n'est-ce pas, elle contribue énormément à l'économie nationale. Et il ne faut pas voir l'éleveur seulement derrière son troupeau ce troupeau-là appartient à la nation. Et, pour, la nation doit faire un effort, plus d'efforts, pour développer un secteur sur lequel elle doit s'y baser pour booster son développement économique. On parle de l'action de la nutrition. Le lait, le, le lait c'est un aliment complet. Si on développe l'élevage, on va produire du lait. Chaque enfant nigérien va boire du lait sain, n'est-ce pas Et Il va assurer sa croissance, etc. Voilà. Donc, franchement, et nous, euh, ce que nous faisons en tant qu'organisation de la société civile, parce etc., nous sommes en train d'accompagner les, les, politiques publiques. Mais ceux qui ont, ceux qui ont le devoir et la charge vis-à-vis de la nation, vis-à-vis du peuple, c'est bien ce, pouvoir public-là, à travers les, hautes autorités, n'est-ce pas, qui ont ce mandat-là. Nous, nous sommes là pour accompagner, en tant que Nigériens, souciés de ce secteur, pour accompagner les politiques publiques. Merci. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous étions avec euh, Zurkalain Mega, directeur euh, général de l'élevage et des industries animales. Nous, étions également avec euh, Mohamed Al-Mansour, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, et Haruna Abarchi euh, de, de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence de nos 31 radios partenaires avec une autre thématique. Merci, au revoir.